la xamné ne ci même lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti je me dois un devoir de le faire moy jël sama ndimbal yobul ko professeur Seydi ak yobul ko hôpital CTO pour que euh lepp lo xamné mën na aar nit ñi euh, euh, reculer jangoro bi eh ñun ñu béy ci suñu war tay nak malheureusement la situation ne s'y prête pas mais comme on dit on nous a forcé à le faire de tout la situation ne s'y prête pas Ce n'était pas le moment difficile fistule ay affaire basket ay faire sanction ay affaire le tribunal c'est indécent je le dis haut et fort parce que c'est indécent mais nous avons beaucoup de Il il n'a qu'une solution moom moi, mu tontu wax lan ko jaaduwul moom euh, fait la fédération bi xeyna liñu li def ni dañu bëggoon profito ci corona bi né dañ koy def rek comme dégg naa leen ñu wax non ñetti fan lañ koy discuter rek mu jeex allez va vite c'est fini on se débarrasse de Babatania définitivement il s'avère que maintenant c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que c'est tout le Sénégal qui s'est levé pour dire non à cette forfaiture parce que une forfaiture la parce que nit aussi euh, tu ne peux pas mënoo que si njit euh, kuréel bi ñuy la fédération sénégalaise de basketball nga ci kuréel diko doxal di recevoir l'argent public ba paré nga ne def ay compte ku ne defal compte nga ne accuser ku leen ne mu am lutax li am la ne accuser mais bu vous yow yow bu vous def compte té nar lo def compte bu war ko laaj ñu laaj je suis un acteur du basket amna un droit absolu en plus je suis un ancien président de fédération amna un droit absolu laaj exactement yow li ngeen jot ni fan ngeen ko def ak fan ngeen ko mais lool vous défé ñu porte la ci plainte yóbbu tribunal lu nekk na wax nañ ko né def na def mais mais le le truc le plus important moom man li ma leen di laaj buñ ko tegoon ci table ji de li ak li Baba Tandian li ñuy laaj li la li lañ jot li lañu def man doyoon na ma sëkk damay jël sumay dëbët def sumay bagage dem suma yoon mais bu fekkee euh, Babacar euh, euh, li ma def ni daf ko naqari naqari ba nga xamé né au point que mu soulever ben article bo xamné je ne suis même pas concerné parce que man man je suis un ancien président de fédération et je le dis ici pour que guerre. xam Sur mon bureau génn nañu benn pour balayer d'un revers de main exactement le fondement de cet article là je suis un ancien président de fédération article ça ne me concerne pas et puis a un secrétaire général bu am di ma binde lettre moment, un secrétaire général adjoint mu vais xam des lettre au nom du secrétaire général sans mettre PO parce que PO nous ko considérons def parce que dans la mesure où il faut qu'il y ait un secrétaire général qui donne ordre de bind place ba bind ci PO dès l'instant qu'il n'y a pas un secrétaire général il ne peut pas le faire parce que bu ko il fait un délit déjà il est dans un délit parce que usurpation de fonction de parce qu'en tête de lettre secrétaire général le yore ba pare du ko signer secrétaire général adjoint sans mettre le mot PO parce que quand PO bu ko encore le délit est beaucoup plus grand parce que le secrétaire général mon mot pas autorisé président fédération mon ko autorisé secrétaire général bi moom moo autorisé mais fédération secrétaire général donc voilà quelqu'un qui fait du banditisme donc règle la ko qui fait du banditisme qui vient courrier courir, qui à tout le monde du convoquer tout le monde Demande sur ma première convocation je l'ai reçu à 1h37, ou 1 h du matin deuxième convocation je l'ai reçu à 4h57. oui première convocation le lendemain je ne m'envoie plus de convocation sur ce mail là c'est un mail professionnel un mail professionnel parce que professionnel ça veut dire que mail bi ma reçu, l'ensemble de mes directeurs au niveau de mon service ils se le partagent Nous fa xew suma biir bien bi ko parce que ñun avons une lune là parce que nous la ñuy liggéey tontu ma faalewu ma le lendemain mu envoyé ma beneen mel 4 h 47 4 h 48 Mon tontuwaat ko ma monsieur s'il vous plaît arrêtez de faire ces provocations parce que je vous préviens ne le recommencez plus jamais 7 h 58 mu yónnewaat ma beneen mail je m'excuse de vous le dire nee suis ma dama

tout mal, tout mal. nak. nag saint du Basket Club d'un côté démonter pièce par pièce parce que c'est truffé d'erreurs, et c'est truffé d'incohérence et c'est c'est truffé même de diablerie y a beaucoup de diablerie là-dedans précipitation la ñu précipitation bon, nak. Baba Tandian est-ce que nous avons jël décision ñu faire ko rapidement parce que saint du Basket Club bi mu dem il fa farax dem devient un problème pour nous parce que ce Basket Club a toujours été un problème pour le basket sénégalais, surtout pour la fédération actuelle. Ce Basket Club du club club bu ndaw Je dama leen di waxal je Babacar Ndiaye sa fédération c'est pas Babacar Ndiaye en tant que personne qui l'ai attaqué lui en tant que personne je le respecte mais j'attaque sa gestion c'est la gestion du basket C'est la gestion ce n'est pas lui seul c'est tout un bureau c'est l'ensemble d'un bureau que j'attaque comme man ni ñu ma daan attaqué à l'époque quand j'étais à la tête de ce baquet là dañ ma daan attaqué ba sur plateau de télévision dama daan dem ba xund ci plateau de télévision ci mi ci def naa ko deux fois par dessus le marché à 2STV Adama Kandé mu ngi fii du ma weddi mais musuma yóbbu kenn euh, euh, tribunal musuma yóbbu kenn euh, commission de discipline musuma dàqalu kenn dégg naa ne démb nag Jalle di wax ne que dama daxalu foofu benn nit ba perte perte matin ne ma ki ma dax ko ko bom xamna lu mu def man man man je ne suis pour rien xamna lu Alpha sila boobu di wax xamna na lu ne kilifa la borom keur la du ma fi net di nettali lan la defone à l'époque mais mom xamna lu mu def mais man musul joté ak man euh fédération pendant 5 ans 2015 ba 2019 j'étais vice-président de 16 basket Thiès Bakel le club bu ndaw 2D 2D il y aurait un centre de formation un grand centre de formation C'est le président man la doon andal campagne à l'époque contre Babacar bi CNBS demee man ak moom avec l'actuel conseiller en communication de la fédération de basket El je le nomme El Hadj El Sarr indi si basket bi si suma groupe nous avons bokkoon ñu ñoo Casamance euh, dans, dans, toutes les régions du Sénégal pour faire campagne. On s'est avéré que comme si une campagne eh ben, c'était pas nécessaire parce que gars ils avaient déjà décidé de ce qu'il allait faire. la ils avaient décidé d'installer un roi baoulé mu se installé donc c'est pour ça qu'ils ont sorti des articles il faut avoir bac plus 17 ou bac plus 16 ou bac plus 3 hein, ou bien il faut être président quand ils ont vu que l'affaire était un peu complexe ils ont dit qu'il faut être président de club moi, je n'étais pas président de club, donc la, route était facile pour me barrer pour que je ne sois pas candidat. C'est ça qui s'est passé en réalité. En 2019, le, avant le, si le monsieur Basket ne me président, nous président, comme ça, prochaines élections, nous proposons le poste de président, mais non, ça ne m'intéresse pas. Nous proposons le poste de vice-président Mouradi Diel. Vice-président, je n'ai aucun rôle. Le président, il a un rôle, mais président, vice-président, je n'ai aucun rôle. C'est-à-dire pour moi, candidat, il faut que le président 16 basket club, Diel me, bolé me, pour moi, pour moi, président. Et en 2019, l'incroyable se produit. Je vous le dis ici en exclusivité. En 2019, l'incroyable se produit. 16 basket club, Madan Faye, c'est affiliation de 2015 à 2019 cette affiliation ils n'ont pas de moyens tous les moyens déplacement équipe déplacement de jeunes les les affiliations ils y une faille. l'incroyable se produit en 2019 à la veille des élections j'entends dans une radio euh, non j'entends dans un journal enfin euh, euh, je lis dans un journal que Tangian ne pourra pas se présenter parce qu'il n'est pas affilié donc c'est la la fédération qui a ébruité cette affaire-là c'est allé dans la presse et immédiatement, bien sûr, les gens m'ont saisi pour me dire ça ne m'intéresse pas d'être candidat. Mais quand même, je voulais savoir c'est quoi cette histoire-là. J'appelle le président de CS Basket. Lui, histoire Il paraît que je ne suis plus affilié. J'étais affilié depuis 2015. Affiliation Les caméras de, de chez moi à l'imprimerie existent. Les images sont là. C'était devant l'imprimerie. Et devant l'imprimerie, il y a des caméras mon neveu d'ailleurs il me l'avait sorti man ça c'était pour payer de l'affiliation et comment c'est fini que je ne suis plus affilié à la veille des, élections ah, vous savez ce qu'il m'a répondu nous on a appris que oui hein, le bureau le bureau de 16 baskets 16 baskets c'est deux personnes le bureau lui l'entraîneur et moi trois personnes alors ils se sont réunis ces trois personnes j'y étais pas donc les deux personnes oui soit disant que j'ai aidé des clubs comme la Gendarme, comme l'ASFO, euh, euh, euh, euh Damad Gendarme, Jeanne d'Arc, wala AFO ASFO jox leen xaalis jox leen ay équipement ñoom joxuma leen xaalis joxuma leen équipement loolu moo tax ñu ma ci affiliation mais loolu xam nga loolu dafa léger et j'ai compris rek en terme <laughs> en terme technique j'ai compris naka la naka la ñuy def ba génne ma ci affiliation bi loolu du ma ci dugg ci détail yooyu mais fédération xam nañ lu tax ñu génn ma tal président siège Babacar xam na ñu génn ma mais loolu seen affaire la yàq bu fekké def ni sen xaalis yàq nañ seen xaalis parce que man je n'étais pas je n'étais pas intéressé pour nekk candidat fédération parce que fédération bi maa si dara ba légui sax ñu ngi yaakaar ne que li may ñëw parce que basket club xeyna pour dem fédération la dama len di wax fi sen caméra néna naa fédération ça ne m'intéresse pas soxlawuma nañ may may jàmm ak cette fédération mais par contre je suis un acteur de basket lu fa xew ci biir fédération bi da ko wax dañ leen jox alal pour def afro basket 2017 ñu bilan Dès que bémb Babacar Diaye di wax faire def bilans, bilan mais ban bilan la def parce que tous les acteurs qui sont au bureau m'ont dit parce que nous, ñemewuñu wax pas man la ñuy ñëw pour ma wax il faut que Babacar xam loolu Nous, nous sommes si bureau bi wax parce que par peur d'être sanctionné C'est man qui ñëw pour ma parce que je suis une voix autorisée deuxièmement de Expo Basket 2019 là pour moi j'estime que c'est vraiment euh, un scandale du siècle à faire financièrement parce que ont reçu énormément d'argent moom moo Babacar moom devant les radios et télévisions il m'a dit que l'État lui a donné près de 800 millions 800 millions sans compter Orange Orange man suis ko de pas basket man mii Baba indi Orange ce basket Nike Orange ont 100 millions Nike je crois 70 millions là à peu près Nike il y a deux formules soit ils la bari il te donne moins d'équipement soit ils te donne beaucoup plus d'équipement il te donne moins d'argent j'ai constaté qu'on leur donne moins de d'équipement donc ce qui veut dire qu'ils reçoivent beaucoup plus d'argent Nike formule mais moi de mon de temps je demandais plus d'équipement et moins d'argent voilà parce que je voulais que moi mes gars s'habillent bien correctement avec un pactage complet que plutôt de recevoir de l'argent je nga dépenser ne dañ pas du tout ils ont pris bien défé ancien président là j'ai fait trois afro basket trois Mali Madagascar Mozambique Côte d'Ivoire quatre mais afro basket on n'a jamais dépensé plus de 70 millions man mi maa ko wax musuma dépensé plus de 70 millions bien que les autorités à l'époque à Blaïwad Makissal Aval avion présidentiel. L'équipe ce ça nous été voyagé. Pour deux gars, le mangi remercier les Président, présidents. Avion présidentiel, ce matin, Ce qui fait que des wani chargés qui fait à peu près aux alentours de 30, 30, 30, 30, 20, 25, 30 millions. Mais Afro-Basket, nous ne pouvons pas financièrement. Moi, moi, ils ont reçu 800 et quelques millions parce que bu ñu xayma société nationale si dugal on peut aller à peu près à ces montants mais moi, je peux pas dire lire parce que je ne sais pas, néew mais moi moo que l'État les a aidés xam dans l'euphorie, quoi alors donc il a dit ça te xamul ne Baba Tandian mu ngi Il maa ngi déglu ñu mais bu me déggee maintenant nag xaalis bi ñu jox délégué il y avait par exemple 5 ou 6 ou 7 délégués. Mais fédération, normalement, ben délégué mon forum, il y a par 5 ou 6 délégués. Et puis sans compter, vous avez vu, le stade était rempli à craquer, à ras de bord. Ni 5 000, ni faille 10 000. Beaucoup les 25 000 personnes habitées par allez, je fais un ratio exactement de 5 000, ni faille 5 000. 25 000 multiplié par, ça fait 75 000, 80 millions. 75 000 80 millions. Si petit, journaux, et ils ont fait un film en, vue aérienne. Il y avait 7000 personnes d'or qui ni avaient des billets de 10 000, ni avaient des billets de 5 000. Disons, grosso modo, ils ont, certainement, ils ont dû laisser entre 40 et 50 millions là-bas. Mais le beaucoup additionné, c'est de l'argent. On dit à peu près, hein, mais on n'a pas le chiffre On dit à peu près. Mais maintenant, mais, mais maître, nous voulons des comptes, nous voulons savoir. Mais pourquoi, monsieur maire Pourquoi pourquoi, pourquoi se fâcher Parce que j'ai demandé. Mais pourquoi ne me dire pas, Tangian, voilà, tu veux savoir, voilà ce qu'on a dépensé, voilà ce qu'on a fait. Et la preuve est que nous, nous avons tout marché sur ma gestion 2010. dans le PV, font la double les 50 millions, nous m'ont de Wad 50 millions pour la fédération. Wad de man le maïs 50 millions. Man, man mi kodjan. Man man mi kodjan. te muy wax télévision mais Jalle waroon wax dans les 50 millions moom moom nous, jox na nous, douzième gaynde jox nous ci millions il est en train de faire un combat qui dépasse son combat et ce combat là il va le perdre d'avance mais il aurait dû dire devant euh, Adja que oui les 50 millions qu'on lui lui réclamait Baba eh il a remis 12 millions au 12e Gaïndé 12 millions et on a dépensé plus de 22 millions non 17 euh, millions ci ay ay billets transport parce que en fait xaalis mo taxone ma laaj ko wad man ma ñëw ñaan wad pour mu dimbali ma mu may ma xaalis parce que première journée bi man ma dem suma banque andak suma trésorier man mi ma dem ak banque andak suma trésorier j'ai décaissé 4 millions de francs CFA dans mon compte personnel. on a plein de Sénégalais qui viennent de Caille, de Mopti, un peu partout. Ils n'ont pas d'argent. C'est des jeunes boy, boy, boy Sénégalais. Ils veulent diguer, ils veulent voir leur équipe nationale. Ils n'ont pas d'argent. Il faut qu'on les aide. Maintenant, a 4 millions. Nous avons des billets, nous avons des sandwich, nous ont des passes. Boy, des billets Alors, il fallait trouver un budget pour ça. Et moi, je n'avais pas le budget, je ne l'avais pas. Et c'est ainsi que je suis allé au deuxième match du Sénégal, je suis allé à, Dakar. J'ai demandé au président Watt parce que j'avais un accès facile de chez, le président Watt. Marianne président Watt dit 50 millions. Watt c'est bon, c'est une bakendia et Mungitok. Est-ce que 50 millions de la doy Parce que moi aussi je veux que les Sénégalais soient dans l'affaire. Maintenant monsieur le président, je crois que 50 millions de la doy. Je me que 100 millions de dollars, mais je n'avais pas besoin de 100 millions, j'avais besoin de 50 millions. Je suis dans une émission. Je basket bés bu ma ko lekkee rek ma xamne man Baba Tandian troxna ba fo ba ila yow bi diin xaalis parce que soxlawu ko c'est pour ça que j'ai amené des, des, des, des, des documents pour vous montrer exactement comment ma vie est conçue avec le basket. Qu'est-ce que le basket a fait de moi L'allemand ma basket lan la l'allemand basket defal Parce que tant que je am ay caméra yeb taxaw jakarlo man fi tay di deglu limay wax Sénégal yeb diko deglu c'est que basket bi may taranga bobu. Su fekke maintenant aw mon bu may delo basket bi que di lek xaalisu basket bi kon ma xam man troxna patron de presse parce que période bobu j'étais le président directeur général de Direct Info man 2 millions pour ñu ci def transport parce que je connais un peu les périèmes des des rédactions Je naa ne parce que dama yore rédaction rédactions. Je journaliste nga fa aussi may journaliste 2 millions jox euh, euh, euh, deuxième gars de 10 millions plus 2 millions pour ñu que sen pharmacie parce que dafa don taw temps pour éviter may am me fièvre foofu équipe nationale a un problème financier lol moy indiwoon suñu coow am problème financier problème financier bobu le ministère de la le ministère de des sports Faustin Diatta fay ñow fofu avec son agent ils avaient pas amené d'argent et il y avait les primes des joueurs à payer et des enfin, des primes de l'équipe nationale des joueurs à payer ay ñom tafagay ak ñom joueurs yi ay indiwuñu xaliss et et et Faustin est venu après avec le premier ministre Souleymane Ndéné je l'ai dit Souleymane Ndéné bu may dégg mu may dégg parce que man duma accuser accusé ci Mali Foro Souleymane Ndéné moo ma forcé Souley bi ma forcé laajee ñaane pour me lebal ko xaalis mu fay premier yi en attendant pour éviter coow ñu jóg ma lank mané ne ko xaalis c'est pas fait pour ça Souleymane Dene mo forcé ñaan ma ne ma baba s'il te plaît joxel Mama Ndiaye mu ngi woon ci biir bureau bi keroog Mama Ndiaye mbenn Mama Ndiaye fédération mu ngi woon suma biir hôtel mu ngi suma biir né ma yëkëti 10 millions ci xaalis bi ma jox ko Mama Ndiaye Mama Ndiaye dem ak moom loolu buñ ko xaymaa du ñu ngi ci ay 26, 26, 30 millions Hein?

chaque jour Géry Ndiaye jënd yi leen di jox lekk mo leen jox championnat bi jeex mu millions de des mu jox ma jël poste Dakar le samedi euh, le dimanche le lundi mardi mercredi jeudi nous avons une réunion spéciale parce que moi je rencontre systématiquement ñaar bu ma je rencontre systématiquement ñaar dërëm bu ma fédération madame 6 millions ñoo sandi ko ci table ko jëri c'est l'argent qui reste de l'argent de Wade qui prend ça qui le met dans les caisses de la fédération c'est comme ça que ça s'est passé maître si tu veux savoir les 50 millions lol. ton ton ton secrétaire général adjoint celui qui fait une usurpation de fonction n'est na aussi dans les 50 millions bi may dem Madagascar Madagascar musuma jot un franc té so bëggee moo la Madagascar lan mo fa xew Madagascar man ma fa suma xaliss parce que Madagascar dañu dem la fédération devait 17 millions à FIBA fii baa bàyyi ba Sénégal simmeeku ba pare di def mise en terre, war jouer son premier match bi la woo ma ma l'équipe nationale du Sénégal ne jouera pas tant que vous ne payez pas votre dette ma c'est quoi cette histoire là mu ne doo leen fi jouer tant que fayu leen ma woo Mathieu Faye Serigne Mbaye

Nous faisons avec, avec un avion privé. On est venu avec l'avion du Sénégal. Et moi, vous ne pouvez pas imaginer la fierté que nous nous à l'aéroport, nous avons un avion Sénégal, nous à l'aéroport. Non, c'est une fierté. bu ma demee nag ba entraîneur benn à bu Je suis sa xaj ne man maa indi fi Sénégal mu taxaw di je suis suma dëkk du Je suis euh, Madagascar dem du

Il est di Nakhari, Saint-Louis te Saint-Louis sera le temple du basket Mon parce que tu vous ma ko la la parce que xam naa pas koy defee am naa pexe aussi Lo, aussi pour moi, wax une fois pour tout. parce que lu pour bëggoon Nous sommes bëgg ñii nous sommes maître fu dem équipe Afrique

Je suis un ancien basketteur. Ça, c'est moi. Qui entraîne ma loi, Je suis un ancien basketteur. Ça, c'est moi. Je suis un ancien basketteur. Et ça, c'est moi. Je suis un ancien basketteur. Maintenant, vous m'avez tout le de Je

amna ay rek rek yo xamné ne wóor na leen lii nii mooy tax décision bu ñu jël amul solo té dañ koy kase euh bima si njëkk ñow moy mooy si wodd bi convocation bi rek problème la mais pour pour pour baña pour gagner du temps bo ñëwé ci PV bi dafa am euh lo xamné da ci nek lo xamné il faut que ñu relever ko ba ñuy siéger le secrétaire général bi nga xamné mom mo moo doon secrétaire de séance participer ci tok fofu non ci réunion bi. moom c'est un plaignant bi nga xam ne dañ koo cité si PV bi parce que daf ne dañ ko saaga alors may laaj nan la plaignant nan la koo xam ne dañ dañ koo tooñ cité ko ci PV bi mën a toog fa ñuy jugé maanaam bu ñu ko mën a waxee personne nit mënul nekk juge ak parti nit mënul nekk ne dañ ko tooñ ba pare moom mooy dogal moo tax ñu jàpp ne lii nii c'est nul na non avenu beneen bi si biir PV bi ñom ils ont fait référence def référence lettre bi nga xamné mom le président la convocation lettre Bob ñu c'est le numéro 091 2020 euh, fédération sénégalaise de basket alors que effectivement la lettre qui est reçue 092 Donc, nous ñun dit nañ né lettre Bob ñu né si pour dan ko ñun mosuñu koo jot parce que jotuñu 091 ñun 092 lañ benen bi ci tagu xeyna moy central bi pour parce que point yi bare na point yi bëri na wax deug yalla benen bi benen euh, beneen bi nga xam aussi dinañ ko ci dañ ko ci dolli moy heure convocation bi non seulement mom mi nga xam mom nañ ne mom moy secrétaire général adjoint bi nga xam amul ci këyitu ci attribut fédération mom il s'est permis non seulement signer convocation waru ko parce que mom tamit waru signer convocation mais amul droit au ancien président mais mu signer ko ba paré ñew envoyé ko ay heure yo xamné benn bi 1 heure du matin la benn bi 4 heures du matin la benn bi 7 heures wa passé na dañuy jàpp ne jamono ji nga xamné ñu ngi si Covid 19 le Sénégal les autorités réaménager temps de travail bi ñu wara wacc wàcc 16 heures nga envoyé ay lettre ay goudi je pense que loolu non da lo xamné wax deug yalla nak sulu non mais benen point bi nga xamné xeyna fa lay jexlé te moom moo tënk daan buñ ko daan moy l' article 74 article 74 dane yow su fekkee yow da nga am ndomba tank nga def lo xamné euh mengotul euh, wala loo xam ne mën a dignité pour nek ko manam tu fais des choses qui font que tu sois plus dans ce poste dañ la fay dindi mané ne dañoo juum ndaxte article 70 bi nga xamné mo nek ci règlement généraux yi fédération sénégalaise de basket mom moo bureau fédéral bi ko daan mom mënulu daan kudul association wala nga nek équipe wala nga nek licencié wala nga nek ni ko xam nga am nga carte officielle te si mbir mii ñu nekk nii nii Baba Tandian du association Baba Tandian yorul carte officielle Baba Tandian nekkul équipe Baba Tandian ab nit la bu waroon mën a am licence bu mënoon licencier waaye ba ñu defee suñu assemblée générale ñun fal ko le 8 mars suñu PV dañ ko war a tënk defal ko ba mu baax yóbbul ko fédération fédération bi si PV boobu lay sukkandiku defal ko benn licence yow koo xam ne yow yaa ko war a defal licence defal goo ko licence nga bugg ko daan si daan boo xam ne article yi nee nañ la waroo ko si daan tant que amul licence kan la ñuy daan en réalité ce qu'il y a te fa laay jeexale mooy que euh, Baba Tandian président Saint-Louis Basket intéressé wu leen parce que munuñ koo daan ñu jéem a sukkandiku si Baba Tandian ancien président mais aussi ñoom munuñ ko woo li ñu si bëgg a wax rek mooy moom wax na ko ba muy jeexal lii nii dafa di loo xam ne lu ñu préparé la lu ñu andi la parce que beneen luy wane dañ ko préparé ba ñuy envoyé seen PV dañoo envoyé ñaari PV C'est aussi cause la benn PV ñu def date le 10 avril mujj gi ñu changé ko envoie suñu secrétaire général benn PV def le 20 avril. loolu moy wone ni ñom bala sax ñukay wo diko saytu ñom préparé nañ seen PV juste pour que le mu deugmal bir Ndar le mu soit ak Saint-Louis Basket lam ne fay def Saint-Louis Basket luñ fi tek mu gagné ko lam ne day fexé ba Saint-Louis Basket dem Afrique lam ne day fexé ba Saint-Louis Basket participer au bowl ñu le monde soit non NBA moo def loolu mo len naqadi lam ne day monde ba luy gay def roi RN moom mu def ku ma ndar sàmm ndar def ko si biir ndar loolu moo leen naqadi moo ñu jéem a sukkandiku si seen ay euh, yëf yu ñàkk fayda yooyu pour ne dañ koy daan mais ñu xamal leen ne Saint-Louis Basket dina jaar fa mu jaar teg ko ko war a def ko na ko war def devant tout le Sénégal devant le monde entier muy FIBA muy leneen ak leneen ils se rendront compte que li ñu def teguñ ko fenn te juridiction yooyu noonu dinañ ko jël fenn kaa ne ko teg ko fële lu si des nag mooy que Baba Tandian mii di suñu président moo koy nekk tey moo suba moo koy nekk te ensemble ñun ak moom ak doomu ndar yu ànd ak ñun dinañ def jaloore boo xam ne dinañ ko gis fii si Ndar Sénégal gis ko Afrique gis ko loolu moo ñu tax a jot leneen intéressé wuñu